Monsieur les ministres, les collaborateurs des ministres, les DG des ministères, chers collègues. Monsieur le ministre, nous vous félicitons pour votre nouvelle nomination à la tête d'un département si important. Je crois que le président Macky Sall doit nous un Il il du ministère de la terre et du ciel. Mes questions, monsieur le ministre quel est le coût réel et la date définitive du démarrage du TER et celui du BRTS monsieur le ministre quelle réponse aux chauffeurs mécontents à cause de plusieurs postes de contrôle qui retardent leur passe parcours faut-il pas changer de méthode Monsieur le ministre, quand est-ce que les Sénégalais pourront-ils emprunter le pont de Camberin C'est important, le pont de Camberin, qui va nous mener à la Nationale 3, la route qui longe la mairie. Monsieur le ministre, après l'utilisation du terre et du DER, après l'utilisation du terre et du DER, qui sont des moyens de déplacement, que vont devenir les conducteurs de Tata, de Carapit et en même temps de Ndiagandiaï Sinon, ils risquent d'avoir la baisse de leurs revenus. Monsieur le ministre, peut-on avoir des éclaircissements sur la gestion financière de Dakar d'Embrique après la chute du DG Moussa Diop Monsieur le ministre, dama wax accident accident répété de la route et entraîne beaucoup de, morts, quelles sanctions sévères pour mettre fin à ce phénomène Monsieur le ministre, la route d'Urbel Telayargouy, là où je suis né, et la route la Diakhaou. Monsieur le ministre, je n'étais pas présente lors de, votre, lors, de la commission technique, parce que j'étais empêchée. Mais je vous signale ici que Guédiouaï a besoin de, a besoin de la gare routière. Parce que Guédiawaye est tellement peuplé, à chaque fois qu'on veut voyager, nous allons vers euh, euh Beau Maraîcher. Monsieur le ministre, ma di la laaj nag foo teg bu ma woo du ma wuy ji nga yor sunu yëf nga vous avez woo pour ma wax du ma wuy ji foog naa nag président Macky Sall daf laa waroon a delloowaat ci ndox mi nga koy xorom rek saf-saf donc je ngi lay nuyu di la toujours je ne cesserai jamais de le dire son excellence le président de la république qui a vu naître au Sénégal l'autoroute à péage la case des tout-petits le grand théâtre le monument de la renaissance africaine et la tunnel ñu koy gërëm di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér da ngeen di mottali am na ku ko wax ñaata ngeen mottali ak ñaata ngeen di sos kon nag loolu laa moon di la ko wax waaye daal doon nga Karim bu baax jaar nga ci ministère bu ne jaar nga ci ndox mi jaar ci ceeb bi yaa ngi nii fii te da demaat feneen jërë ngeen jëf merci honorable